le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le Vous écoutez le programme du studio Kalangu qui émet depuis Niamey. Ces programmes sont relayés par 41 radios partenaires disséminés sur l'ensemble du territoire nigérien à Ayoru, région de Tilaberi, vous nous écoutez sur la radio Sugi et à Kablewa, région de Difa, vous nous recevez via la radio Mambio. Bienvenue à toutes euh, celles et tous ceux qui nous suivent. C'est l'heure du Forum de la presse, euh, le rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans le Forum de la presse de ce vendredi 14 février 2020, nous allons revenir sur les derniers développements de la situation sécuritaire dans le nord de la région de Tilaberi. Sécurité toujours, nous parlerons des proposition faites au cours du 33e sommet de l'Union africaine, notamment sur la question sécuritaire au Sahel. Enfin, nous terminerons par les cas de fraude décelés dans le processus de l'enrôlement biométrique en cours au Niger. Pour en discuter, nous recevons nos confrères Hussein Issa et Rufai Dandoua, tous deux des journalistes freelance. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum. Nous débutons ce forum de la presse par la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Tilaberi. Aux dernières nouvelles, une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le poste de police d'Ayoro a coûté la vie à deux policiers et un civil. Aussi, pas très loin à Famalé, une source nous a appris que les classes de l'école franco-arabe ainsi que le véhicule du directeur ont été brûlés par des hommes armés également. Alors, Hussein ça à l'allure où vont les choses dans cette partie du Niger, je vais dire Tilaberi, qu'est-ce qu'il faut craindre le plus Est-ce qu'il y a une crainte plus grave que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui Je ne vois pas. On peut craindre ces actes d'attaque ou régulièrement des, nos, forces, des, éléments de nos forces de défense et de sécurité perdent leur vie, des citoyens, paisibles citoyens perdent leur vie. Est-ce qu'il y a une crainte plus que ça Peut-être la question, c'est de demander comment faire. Est-ce que dans une région où il y a d'abord la mesure d'état d'urgence, une mesure d'état d'urgence qui a carrément privé les populations locales de beaucoup de choses, c'est-à-dire liberté de déplacement, liberté de ceci, cela, mais qu'on assiste. Et le plus souvent, on dit, c'est des gens qui viennent en moto. Depuis le 1er janvier à ce que je cherche dans cette région-là, il n'y a plus de moto. Mais comment ces gens parviennent à manœuvrer pour arriver attaquer des postes, attaquer des écoles et parvenir à s'enfuir C'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire que sur toute la ligne, la stratégie, en tout cas sécuritaire, est telle mise en œuvre actuellement, c'est une stratégie qui a montré ses limites, qui a montré ses limites et il faut rectifier le tir, il faut revoir les choses pour pouvoir faire en sorte que, moi je ne dis pas, on ne peut pas de manière euh, drastique éliminer les attaques. Mais que des gens ah, viennent, ils attaquent et ils préviennent à s'enfuir, c'est ça que je n'admets pas, c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ça que les citoyens ne comprennent pas. Surtout dans une zone, comme je vous l'ai dit, de jour comme de nuit, on dit les motos ne circulent pas. Alors, comment ils sont parvenus, ces gens-là, à traverser, à supposer qu'ils soient, on avait dire, euh, ils proviennent du Mali. Comment ils ont pu faire pour franchir la frontière, traverser pratiquement une longue distance provenue, tuer d'abord deux policiers, ensuite brûler, comme avait dit, une école, ça n'a pas de sens. C'est ça que les citoyens ne comprennent pas. Véritablement, c'est ça que les citoyens ne comprennent pas. Il faut qu'on enlève le chapeau de plomb autour des questions sécuritaires pour dire exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais on ne peut pas maintenir les gens dans une situation où tous les jours, on dit, bon, on a pris les dispositions pour pouvoir créer les conditions idoines pour que les forces de défense puissent être beaucoup plus opérationnelles et qu'on assiste à ce genre de choses. Ça, ça n'a pas de sens. Rufai Dandoua, comment comprendre cette situation euh, alors que euh, Hussein Issa l'avait évoqué, il y a en tout cas un certain nombre de mesures qui ont été prises par les autorités, notamment l'état d'urgence qui date de plus d'un an, euh, qui est souvent euh, prorogé. Et il y a ces mesures aussi d'interdiction de circulation de motos de jour comme de nuit, dans en tout cas dans une grande, dans une grande partie des départements de, cette région de Tilabéry. Justement, qui dit mesures mesure d'état d'urgence dit possibilité donnée aux forces de défense et de sécurité et la possibilité de, ratisser partout, de, de, regarder partout, d'aller partout, parce que euh, on a limité le, mouvement à la population, on a limité beaucoup de choses aux citoyens pour permettre aux FDS de, de pouvoir avoir la possibilité d'être seul sur le terrain et de pouvoir faire face à l'ennemi qui va venir. Mais malheureusement, on se rend compte que malgré tout cela, euh, tel n'est pas le cas, puisque eh, lorsqu'on dit toujours que c'est sur moto que les gens vont venir, alors que normalement les citoyens ne sont pas censés être à moto à ce moment, où les, terroristes sont là. Donc, euh, ça veut dire qu'on a donné l'autorisation au FDS de, de, prendre tout celui qui, qui, a, moto. moto. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est là où maintenant il faut se demander est-ce que ça, c'est la solution Si tel n'est pas le cas, il faut maintenant penser à autre chose. Mais là où il faut et quelque part tirer satisfaction de, dans tout ça, c'est que depuis un certain temps, et les attaques contre les bases militaires on, diminue on, Là, on peut se dire que quelque part, c'est parce que les, terroristes ont eu peur, ils ont replié et ils ont euh, pris une autre tactique. Cette tactique, c'est de, s'attaquer aux voitures, donc comme les rebelles, vous vous rappelez, dans les années 90, ou s'attaquer à des écoles. Ça, je pense que c'est trop lâche, même si ça fait partie aussi de leur... Euh, euh, euh, objectif quand à l'époque, au temps de Shekau, il disait que beaucoup c'est haram. Mm. Mais je pense que c'est revenir quand même au minimum de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et quelque part, on peut se dire que la stratégie des militaires mise en place commence à, à prendre, à prendre forme. Mais il faut se dire que ce qui se passe malgré l'état d'urgence est à revoir. Alors, la situation est-elle encore maîtrisable Si oui, comment oui, bien sûr, elle est maîtrisable parce que c'est vrai que ça ne, va pas, euh, ça se faire tout de suite, mais il faut qu'on qu assoie une stratégie de, guerre pendant euh, avec des spécialistes. Vous vous rappelez, ici on en a toujours parlé. il faut vraiment des spécialistes de, ce genre de conflit, dans ce genre de zone, qui s'assoient sur une même table pour prévoir euh, une méthode pour prévenir ce genre de choses. On a toujours dit ce genre de, de situation, c'est la prévention. Ce n'est pas après et l'attaque qu'on va essayer de poursuivre l'ennemi. Alors que l'ennemi, connaissant le terrain, il sera déjà loin. Pendant que ceux qui vont le poursuivre, eux ne sont même pas eh, prêts à temps. Il faut qu'ils prennent les dispositions. Et qu'ils... Non, et cette, cette, fois, cette fois-ci, il faut qu'on prenne les dispositions pour euh, prévenir toute situation qui risque d'arriver. Je pense que la dernière fois, on l'a dit ici, depuis le, la rencontre de Pau, oh, on est en train de quitter le discours pour aller à l'acte. Et c'est ça qui est important. On est en train de le voir au Mali avec euh, Peut-être ce qui va se passer et la reprise de, Kidal, on l'espère. Il faut se dire qu'il faut qu'on sur une même table et discuter sur la, sur la stratégie à adopter avec les spécialistes, pas des, des, militaires qui n'ont pas l'habitude de cette guerre. Parce que cette guerre, on l'a toujours dit, redit répété, c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre euh, conventionnelle comme on a l'habitude de le faire. L'ennemi te frappe par surprise, il faut donc le frapper par surprise. Donc il faut l'attaquer par surprise s'il faut l'attaquer. Mais aussi s'il faut négocier, il faut négocier. Ce n'est pas une honte de négocier mm. et, d'avoir l'immensité de, son territoire sous le gouvernement central. Mm. Euh, sein de Issa Rufai pense qu'on euh, doit en tout cas miser sur euh, l'approche de, préventive, la, prévention. Alors, s'il faut prévenir, sur quoi en tout cas mettre l'accent pour mettre l'accent, moi je considère qu'il faut aller à l'offensive. On est dans une posture jusqu'ici défensive. C'est-à-dire, on attend quand une attaque survient, c'est à ce moment on essaie d'envoyer des renforts et tout. Mais ces gens, ils viennent pas du ciel. Est-ce que c'est du ciel qu'ils tombent quand ils viennent faire leurs attaques On dit ils sont dans le septentrion malien, dans le nord. Mais s'il faut ratisser toute la zone là, les régions, les grottes, tout, c'est bien possible, non Pourquoi laisser que l'ennemi vienne te frapper C'est à ce moment que tu cherches à trouver à déployer d'abord des forces pour pouvoir renforcer. Moi, moi, je dis, moi, je dis, cette stratégie a montré ses limites. La, la stratégie défensive a montré ses limites. Ils sortent pas, comme je viens de dire, ils tombent pas du ciel. Ils, sont, ils ont des planques un peu partout. Par conséquent, il faut les traquer. Mais tant que les gens vont se mettre dans une posture où il faut attendre qu'ils viennent attaquer, ensuite on va déployer de forces, des renforts pour pouvoir sécuriser. Moi, j'ai dit, ils vont toujours avoir le dessus parce que c'est une guerre asymétrique. L'autre, il vient de le dire. Dans une guerre asymétrique, c'est à toi aussi de faire l'effort d'aller vers l'ennemi hmm. pour voir où il se trouve, le détruire. Au lieu d'attendre que l'ennemi vienne te détruire. On va continuer à assister parce que dans tous les cas, moi, j'ai dit, vous savez, euh, ils sont dans une posture où, de temps en temps, ils mettent un peu d'accalmie. C'est-à-dire, ils font oublier ils, se juste pour faire baisser la vigilance. Une sorte de diversion. oui, bien, ils font baisser la vigilance et ensuite, quand la, la vigilance baisse et qu'ils peuvent, pendant qu'ils sont en train de monter leur stratégie, ils viennent, ils nous frappent durement. Personne n'a pensé un jour que le casernement d'Inates ou le casernement de Chenogodala allait connaître ces, genre Jacques de temps. Hmm. Mais tout simplement parce que, bon, la violence, quel que soit le temps, ça va baisser un jour. Mm. Mais tant que vous cherchez l'ennemi, il faut aller là où il se trouve ce n'est pas faisable. parce que le territoire malien, là, le nord septentrion, on dit, mais d'accord, il n'y a pas l'État. Mais l'État malien peut être là. L'État malien peut être là avec toutes les forces qui sont venues chez nous, les forces françaises, américaines et tout et tout, avec tous les moyens dont les gens disposent. Moi, je considère qu'on peut ratisser, pas seulement là-bas, on peut considérer même qu'il y en a peut-être dans nos, sur notre sol, qui sont au, du côté du Burkina aussi, mais on peut ratisser. Est-ce que c'est compliqué On connaît tous les villages, que ce soit un village administratif ou autre, on connaît. On peut ratisser et puis, et puis dénicher ces, ces, gens qui sortent de temps en temps, qui viennent euh, euh oh. tuer gratuitement, oh. qui viennent piller, qui viennent incendier, qui oh. font déplacer des populations en masse. Moi, je dis, ça n'a que trop duré cette affaire. C'est des États contre des petits brigands. Parce que moi, pour moi, c'est non. Non, c'est ou l'État et l'État ou bien c'est pas l'État. sauf, que, l'ennemi étant du défi de la nature, c'est aussi oui, des fois dit Non, mais le problème c'est qu'il y a toujours des indices. On fait découvrir des indices si on trouve ça chez la personne, mais bien évidemment, on sait qu'il fait partie, mais qu'on dise que non, on va attendre. attendre. est-ce que cette, cette, cette stratégie de, la, de défense peut être effective de sitôt quand on sait que nos États, en tout cas, on a toujours clamé que nos États manquent de moyens nécessaires, moyens humains et, matériels pour faire face. On sait que le G5 Sahel attend toujours d'être financé. oui, moi, moi je, je disais déjà qu'il faut être euh, à l'offensive euh, pas attendre, mais aussi à l'offensive. Il faut aller les traquer et euh, là où ils sont. Euh, je ne dis pas de bombarder pour bombarder parce que on peut commettre des, des bavures. On l'a vu dans plusieurs zones de, de, guerre dans le monde, en Syrie, en Irak, un peu partout. On l'a vu à chaque fois qu'on procède à ce, genre de choses, il y a des bavures. Mm. Mais je pense quelque part que ce genre de djihadistes ne sont pas aussi qualifiés que ceux qui sont en Syrie, qu'on peut les traquer même à sol et on peut le traquer. Déjà, il y a des avions qui, sont, euh, qui survolent euh, la frontière avec la force Barkhane, avec les forces américaines, avec aussi nos forces nationales. On peut le traquer sur la frontière malienne et maintenant on, peut les mettre hors d'état de nuit. Il ne sert à rien de, d'être à l'offensive et d'attendre qu'ils arrivent. Mm. Non, ce n'est pas ça. Mm. Et même euh, en étant à l'offensive, il faut les poursuivre pour les, les ramener à leur dernier retranchement et cela va permettre à, ce que ce qu'on a commencé aujourd'hui et le fruit que ça a commencé à apporter, qu'on arrive à, avoir la solution définitive. C'est vrai que ce n'est pas demain, ce n'est pas pour après-demain, mais c'est quelque chose eh, dont il faut prendre en compte et, ça va eh, nous permettre, puisque ça ne sert à rien qu'on tue des gens. Vous vous rappelez, récemment, il y avait eu Hmm, un reportage sur France 24, un monsieur qui avait fait une. qui avait témoigné, et, qui, à la fin. a été assassiné. Voilà, il a été assassiné. Donc, je pense que quelque part, ces gens-là, eux aussi, ils nous, nous regardent, ils nous écoutent, ils nous suivent. Donc, euh, ils ont presque les mêmes moyens, ou sinon euh, mieux que nous, donc il faut savoir les surprendre aussi. Mm. restons toujours sur ce chapitre sécurité pour parler du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé lundi dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Lors de ce sommet, la question de la sécurité au Sahel est revenue. À ce sujet, dans son allocution à la 33e session des chefs d'État de l'Union africaine samedi, le président du Burkina Faso et président en exercice euh, du G5 Sahel, Marc Christian Caboret, a souligné un déficit de solidarité africaine dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Rufai Dandoa, que pensez-vous de cette affirmation du président euh, en exercice du G5 Sahel et président du Faso Rock, Marc Christian Caboret C'est vrai, la, déficit de solidarité africaine. La semaine fois, euh, ce n'était pas vous qui avez animé le débat. Je ne sais pas si Hussein était là. J'avais évoqué ce sujet. J'ai dit, on ne peut pas toujours attendre de, la France, des Amériques, et des États-Unis, autant pour moi, ou de l'Union européenne pour venir nous soutenir. Alors qu'on parle de, de, de hein, on parle de la CDAO, qui est l'une des plus belles associations encore et en activité qui a réussi. Aujourd'hui, la CDAO, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle amène comme, contribution pour faire face à cette euh, menace djihadiste qui est, en train d'envahir les pays membres de la CDAO. Moi, je ne vois pas. À chaque fois, on dit Ah, la France a fait ceci, la France n'a pas fait ceci. Mais la France est à des milliers de kilomètres de genoux. Pendant que autour de nous, il y a des pays, 16 pays membres de la CDAO, et c'est demain eux qui vont sortir pour donner des, leçons de morale que ah, tel pays ne doit pas venir et nous soutenir, tel autre pays ne doit Non. Excusez-moi, par rapport à la CDAO, je crois que ça fait pas très longtemps, euh, lors d'une réunion, ils ont décidé d'allouer une enveloppe, je crois, de quelques millions de dollars pour soutenir les pays qui sont confrontés à cette question. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent Mm. Mais quand vous prenez des pays, euh, des puisqu'on parle de. De la CEDAO. Euh, euh, Marc parle des pays de, de, de l'Union africaine. On, a, on parle des pays comme euh, l'Afrique du Sud. Si la France peut intervenir, c'est que aussi l'Afrique peut intervenir. On a des pays comme euh, l'Algérie qui ont des, moyens euh, de renseignement énormes. On a l'Égypte. Oui, on a, on a, voilà, on a des pays comme l'Égypte qui est la première puissance, je crois, militaire en Afrique. On a beaucoup de pays qui peuvent amener leur contribution. Mais l'Égypte préfère amener sa contribution dans la résolution du, conflit israélo-palestinien pendant que des pays africains dont toujours besoin demain aussi, ne serait-ce que le Conseil de sécurité soit là à subir le foudre de, euh, des djihadistes. Mais je dis non, il faut que nous aussi, Africains, nous nous unissions main dans la main pour eh, aider les autres si on veut que cela euh, soit couronné de succès. Mm. Rock, moi, euh, Rock n'a que confirmé ce que j'avais dit la semaine passée. Je l'avais dit sur ce plateau qu'il n'y a pas une, une aide eh, massive, une aide financière, militaire et humaine des forces euh, africaines. Donc, je pense que ce n'est pas à, à ce pays de venir de même pour donner des leçons de morale à d'autres pays extérieurs qui viennent apporter leur aide sous prétexte qu'on dise qu'ils sont là pour coloniser encore l'Afrique. Nissa, euh, alors ces affirmations du, chef de l'État euh, burkinabé, la solidarité africaine doit prendre le dessus c'est une réunion des syndicats des chefs d'État. <laughs> Vous parlez de quoi Du, sommet des chefs d'État C'est un syndicat. C'est un syndicat. Bon, ton domicile là, est-ce qu'il y a quelqu'un de, de plus efficace que toi pour la protéger, pour la garder C'est d'abord toi, c'est ta maison. C'est toi qui dois prendre les protections, assurer, garantir la sécurité de ta maison. Quand déjà, pendant toutes ces années, mais <laughs> les armées et tout et tout, ça signifie quoi Ça signifie tout simplement une démission, une faillite. Parce que aujourd'hui, même quand la France est en difficulté, la France ne va pas dire il faut m'amener des troupes militaires pour m'aider ou donnez-moi. Les gens viennent de manière volontariste, ils, ils appuient ce qui est en train d'être fait. Mais on a comme l'impression que les gens ont baissé les bras dans nos pays face à des, groupuscules, ah. des, individus qui sortent, qu'on dise qu'ils ont plus, ils sont plus. Mais, et nos armées Bien. Et nos Ça veut dire une chose aussi, c'est qu'on détourne beaucoup d'argent destiné à armer l'armée, à acheter des munitions. Est-ce que c'est quelque chose, cela ne décourage pas les partenaires le problème, les partenaires, mais c'est une affaire de. Même en information, là, c'est la banque kilométrique, c'est le principe de la banque kilométrique. Plus tu à côté de chez toi, plus ça t'intéresse. Mais quand ça s'éloigne de toi, c'est pour ça, même en Afrique, quand l'Afrique du Sud est confrontée à ces problèmes, nous ne nous, sentirons pas beaucoup plus concernés par ce qu'ils sont en train de vivre. Comme un peu partout, c'est comme ça. C'est une question de principe. Mais l'Afrique, euh, machin, l'Union, Mais attendez ils, sont, ils sont allés discuter. Ils sont allés discuter pendant combien de jours 48 heures à, à, Ils ont discuté, on en parlait même des ELECAF, là. Zone de libre-échange continental ou quelque chose comme que, voilà, le Niger, il a fermé sa frontière, ça fait combien de mois aujourd'hui Ça nous pénalise durement, ça pénalise le Bénin, ça pénalise un peu partout. Est-ce qu'ils en ont parlé je crois que ça, a été évoqué, non, ça a été non, évoqué, ça a même si les solutions non, durables n'ont pas encore. Non, non, solution durable mm. par rapport à quoi Bien. Ou bien on fait l'intégration ou on ne fait pas l'intégration. Le a dit que. Ça, c'est une autre question. non, non, non, mais je vais là-dessus. Parce que ça va dans le même sens, y compris les questions sécuritaires. C'est pour ça que je pose le problème en ce terme. Chacun doit se donner les moyens de pouvoir défendre son territoire. Mais attendre que quelqu'un te vienne en aide un jour, on va te, on va te prendre même le pouvoir que tu as. Des, des, des, individus vont venir c'est ça. Euh, alors, euh, alors, oui, euh, quand, on dit l'Union africaine, quand on dit intégration africaine, moi j'entends par intégration africaine toutes les choses communes. On va avoir une armée commune. Même si on n'a pas une armée commune, on va avoir une armée qui peut intervenir en cas de, en cas d'agression euh, euh, contre un pays. C'est comme à, l'Union européenne qui a une armée commune. On peut avoir une monnaie commune. On peut avoir la suppression des frontières. On peut avoir euh, un, visa, un, passeport commun, comme ça, ça a été déjà démontré. Oui, comme ça a été déjà on va évoluer. Mais, oui, mais, quelque, mais quelque part, c'est comme l'a dit Ouseni, les gens viennent. Ils assez, ils discutent parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rencontrés entre eux. Maintenant, ils prennent leur thé et ils s'en vont. Moi, pour vous, il n'y a pas d'impact Mais il n'y a, aucun impact. Quand, par exemple, le, chef d'état-major de l'armée française, de l'armée américaine disait il n'y a que les pays africains qui peuvent gagner cette guerre. Dans la même logique que le président Macron qui disait aux pays africains et eh, soyez des armées responsables, des États responsables pour faire face à. C'est une façon de dire entre vous entre vous. Nous, on ne vient qu'à Alors, Rufai, euh, voilà, le secrétaire général de l'ONU, Antonio euh, Guterres. a dit lors de ce, même sommet de l'Union africaine qu'il fallait une force africaine avec un mandat robuste et surtout des financements pérennes. Avec cette affirmation du patron de l'ONU, l'espoir est-il permis pour que le G5 Sahel soit inscrit sous le chapitre 7 euh, du mandat de l'ONU au sujet de son financement Je suis qu'on est, dans la même, logique de, ce ce qu'on dit. Mm. Et comment ça s'appelle Une force africaine robuste, robuste. bien fine. Euh, euh, regardez l'Union européenne. Ils ont une monnaie commune, qui est très forte. Mm. Ils ont une armée et eh, qui peut intervenir lorsque certains États, et eh, bon, mm. même si eux là-bas, il n'y a pas de, euh, il a pas des États qui sont annexés, mm. mais quand même à chaque fois qu'ils en parlent, ils ont, euh, ils peuvent se, soutenir entre eux. C'est de ça qu'on a besoin, pas des armées déjà qui ne sont pas eh, puissantes. Nos armées africaines ne sont pas puissantes. Elles sont, euh, nos armées sont corrompues, elles sont mal équipées parce que l'argent, Hussein l'a dit, qui est censé être dans l'achat des armements, dans l'achat des avions de guerre sont détournés. Donc je pense qu'il faut que ce genre de nos, armées soient d'abord équipées hein, et après maintenant qu'on mette en place une force d'intervention, comme il a dit, rapide. Au niveau africain Au niveau africain, même pas au niveau seulement africain, mm. au niveau par exemple du G5 Sahel. Il faut que cette force soit mise en place. Il faut qu'on ait une force euh, ou comment dire, une force bien formée. Non, aujourd'hui, la, guerre moderne, c'est le renseignement. Il, il faut qu'on ait des militaires bien formés qui ont quelque chose dans la tête et qui peuvent mettre en place, qui peuvent asseoir une stratégie de guerre, une stratégie militaire à même de répondre à ce que, ce que les djihadistes nous imposent. Aussi mm. longtemps qu'on n'aura pas ça, aussi longtemps qu'on n'aura pas de renseignement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la, la force de, de l'armée algérienne c'est ça. La C'est le renseignement. capacité de le tant, renseignement. Que vous tant que vous n'avez pas de renseignement, vous ne gagnerez aucune guerre moderne. Bien. Hussein Issa, alors, le nouveau président aussi du Conseil européen était dans la capitale éthiopienne lors de ce sommet de l'Union africaine. Selon une dépêche de RFI, Charles Michel veut repenser les relations Afrique-Europe, mais surtout écouter les priorités des chefs d'État et de gouvernement euh, du continent. L'Europe s'est engagée à financer, a-t-il dit, le G5 Sahel ainsi que les projets de développement dans la région. Que pensez-vous de cette proposition d'accompagnement européen Cet accompagnement Pardon, laisse tomber. Laisse tomber tout ça, s'il te plaît. Pourquoi Non, s'il te plaît, moi, ces discours-là, moi, je considère qu'il <laughs> faut dépasser ce discours-là. Pourquoi On en a entendu plusieurs fois des machins. Il y a eu des conférences. Ça ne marche pas, ce n'est pas efficace. C'est juste des discours. Ça s'arrête au stade de discours. Ou bien les gens, on a nos ressources, ou bien on crée les conditions. Parce que le problème qui se pose dans nos pays, mais bon, quand tu viens, il faut bien ménager les, les, interlocuteurs. C'est tout. Hein. Ils font du paternalisme. Ça fait longtemps, le G5 Sahel, ils sont en train de placer sous mandat 7 de, chapitre 7 de, c'est pas moi, des Nations Unies. Il faut qu'on arrête. Ou on veut être responsable, ou on veut continuer. Vous ne croyez pas à cet appui européen Moi, pour moi, quel appui quel appui, s'il te plaît, quel appui. Ça va permettre de faire quoi Ça va permettre à d'autres personnes de prendre en plus de l'argent et, aller faire autre chose. Sinon, cinq pays qui sont incapables de mobiliser les ressources nécessaires pour monter une armée et machin conjointe. Non, ça pose problème. Ça pose problème. Il faut repenser l'Afrique. Moi, j'ai dit, souvent, quand j'ai entendu des gens s'agiter, quand Sarkozy a dit on n'est pas suffisamment rentré dans mhm, l'histoire, mhm. des gens se sont agités. Non, non, mhm. non, non, non, Les Africains ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire parce que tout simplement. vous, reprenez les, non, non, non, mais moi, je Mais parce que après 60 ans d'indépendance, vous êtes encore en train de tendre la main alors que vous avez les ressources et tout et tout. Mais créez les conditions pour que ces ressources-là vous soient profitables, mm. d'abord avant que ça ne profite. Mais malheureusement, les ressources profitent à quelques individus, les gens qui sont dans le système en fonction du système. C'est comme ça ça fonctionne. Et malheureusement, ça va continuer à maintenir l'Afrique dans le retard. Tant que les gens savent combien de temps <laughs> c'était l'OIA, jusqu'à ce que l'OIA disparaisse là. Bilan, on a fait bilan, rien. Après, il y a eu Les gens se réunissent, les chefs d'État se rencontrent de temps en temps chaque année. On passe le témoin à un tel euh, voilà, sur les cas de fraude décelés dans le processus de l'enrôlement biométrique en cours au Niger en vue des futures élections de 2020 et 2021. Ainsi, selon le rapporteur, en tout cas national, de la Commission électorale indépendante, il a été constaté 134 000 cas de fraude dans le cadre de l'opération d'enrôlement biométrique des électeurs dans la zone euh, numéro 1 qui comporte les régions d'Agadez, Dosso, Tawa et Tilaberi. Pour euh, Nafi Wada, tous ces fichiers seront écrasés et les fraudeurs seront les seuls perdants. Il est au micro de Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. Je vous propose de l'écouter. Nous avons constaté que les gens qui ont voulu tricher en pensant que nos machines ne peuvent pas identifier les gens. Nous avons 134 000 cas que nous allons traiter. Et ceux qui ont utilisé les mêmes pièces d'identité, les mêmes extraits de naissance, nous avons 1904 cas que nous allons traiter. Cela voudrait dire quoi Les gens qui ont fait ça, quand on regarde le code, ils ont fraudé. Nous pouvons les poursuivre. Là, c'est pas bon. En voulant rendre service à quelqu'un, vous vous rendez pas service à vous-même parce que la machine va vous écraser. Elle a perdu, vous avez perdu, vous n'êtes plus des électeurs. C'est des personnes qui se font enrôler avec une même pièce. Donc on ne peut pas savoir c'est qui. C'est le premier qui est le détenteur titulaire légal ou bien le deuxième. Il faut éviter ce genre de choses inutiles. Et cette carte-là, c'est une carte pour 10 ans et elle tient lieu à la carte d'identité nationale. Voilà, Nafi Ouada, rapporteur national de la Commission électorale nationale indépendante CENI. ça. Comment analysez-vous cette situation de fraude à ce stade eh, Moi, je veux dire, il est honnête. Il est, au niveau de la CENI, au nom de la société civile, à ce qu'il cherche. C'est au moins, euh, comment je veux une preuve d'honnêteté, le fait de sortir, dire voilà ce qui est en train de se passer. Bon, ben, voilà aussi l'état de l'Afrique. Vous dites, vous voulez la démocratie. Mais est-ce que vous avez besoin de frauder Vous êtes populaire, vous êtes allé sur le terrain, vous avez. Mais quand on ne peut même pas surmonter ces genres de choses-là, on dit fichier biométrique, il n'y aura pas de fraude, machin. Quand des gens considèrent qu'ils peuvent contourner le mécanisme pour faire enrôler des personnes fictives et tout et tout, quelque part, moi j'ai dit, il ne faut pas se plaindre des blancs, des Occidentaux. Il faut se plaindre de nous-mêmes. On doit se plaindre de nous-mêmes même les élections, vous ne pouvez pas les organiser parce que vous ne voulez pas la transparence, parce que vous voulez voler. Non, mais à partir du moment où les gens se mettent dans une logique de vol, pendant que tu es dans une posture où tu n'as pas besoin de voler pour manger. Mais alors Mais alors Vous voulez quoi Le développement, là hein La corruption et, comment veux dire et, Je sais pas, l'impunité et tout et tout. Sauf que bah là, à ce stade, on ne sait pas qui est qui. Mais euh, on ne sait pas. mais non, non. Mais ça veut dire que c'est faussé déjà c'est faussé. Ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment du kamikami, quoi. Quelque part, on va aboutir à quel type de fichier biométrique On va ressortir avec un fichier bancal et puis biométrique. Mais après, on va dire encore, non, bon, le fichier là, d'ici les prochaines les élections de 2020. C'est 2020, 2020 fin 2020, début 2021. Les prochaines voies c'est tenir en quelle année 2026, 2026 2020, Le fichier biométrique là qu'on a fait, c'est mauvais. Il faut jeter. Il faut encore reprendre le fichier. quand vous faites le Sans compter les moyens qui ont été les investis. Moyens, mais c'est même pas vous qui mobilisez les moyens, c'est les Blancs qui viennent encore avec leur argent pour dire tenez, il faut aller travailler pour faire un fichier. la responsabilité là, ça réside où si tu dois quitter ta maison le matin sans laisser l'argent de la popote là, comment tu veux que ton voisin, il peut t'aider aujourd'hui, après-demain, ainsi de suite. Mais un au bout d'un certain temps, il va être fatigué. Parce que tu fuis tes responsabilités. Et on est dans ce schéma-là en Afrique. Même les élections, on ne peut pas rien. On peut rien faire de quoi. On veut montrer que. Non, non, non. Mais ce n'est pas. Moi, j'ai dit, je suis un afro quelque part pessimiste. Non, non, je suis désolé de avoir de l'optimisme, non, non, l'optimisme par rapport à quoi Ça fait 60 ans, plus de 60 ans. Les pères des indépendances, eux, ils ont fait quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens, avec ce système démocratique et tout, il y a des gens qui sortent du néant. Du jour au lendemain, le bonhomme, tu le vois, tu le connais, il n'a aucune compétence particulière, il, il devient quelque chose. Parce que tout simplement, il n'y a pas la concurrence, il n'y a mhm. pas le sérieux, il n'y a pas la transparence, il n'y a rien du tout. C'est n'importe qui. Il faut savoir être griot, quand vous savez taper le tam-tam, c'est facile pour vous de vous enrichir et de savoir retourner chaque fois la veste sans aucune conviction. Mhm. Alors, Rufai Dandoua, comment euh, vous avez accueilli cette information, cette nouvelle moi, quelque part, je me dis que, euh, quoi qu'on dise, ce qu'il y a une bonne foi de la part de, la CENI, et parce que ce n'est pas que seulement le porte-parole de la CENI, c'est une fraude qui a été décelée par les services compétents de la CENI, et il faut leur en tirer chapeau parce qu'ils ont fait un bon travail. C'est aussi et une occasion pour dire aux gens qui pensent qu'on ne peut pas, avec euh, ce, ce, nouveau mécanisme fraudé, que ça peut se faire. Quoi mm. quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui vont frauder et, et les élections ne seront jamais transparentes telles qu'on le veuille et telles qu'on veut avoir des dirigeants que nous-mêmes, citoyens, allons choisir quand, comme on veut et quand on veut. Autre chose encore... Euh, euh, je me dis que quelque part, comme l'a dit Ousseini, chaque fois, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient pour nous apporter quelque chose et faire et parfaire, par exemple, notre démocratie. Aujourd'hui encore, au, 21e siècle, aujourd'hui encore, 60 ans après les indépendances, on n'est indépendant en rien. Et moi, je ne condamne pas que les, les Blancs. Je ne condamne pas sur quoi qu'on nous fasse euh, quelle qu'en soit l'aide qu'on nous amène, quand ça vient, il y a toujours des esprits malsains, des esprits mesquins qui sont là pour essayer de détourner à leur propre avantage. Et ça, ça fait que nous ne progressons, nous ne progressons pas, nous n'avançons pas. Alors aujourd'hui, Rufai, comment situez-vous les responsabilités Est-ce au parti politique Est-ce à la CENI est aux autorités compétentes non non, non, non, non, bien sûr que c'est aux partis politiques. Les fraudes se, sont, se font par des partis politiques. C'est les partis politiques qui pensent qu'il faut frauder. Et je, je, je, on ne cache rien, tous les partis politiques fraudent. Il n'y a aucun tout, tout parti politique qui pense que dans son fief, il a un fief, il profite pour, pour, pour, pour, pour augmenter le, le, nombre. Il n'y a pas un seul parti qui va dire qu'il n'a jamais fraudé. Je ne pense pas. Donc ce n'est pas la faute à la CENI. La preuve, la CENI a fait un bon travail. Elle a décelé une fraude massive, 134 000 voix. Ce n'est pas rien. Je me rappelle en 1999, il y avait un écart de 4900 voix entre et, et Mahmoud et, et, et Maman Ousmane pour, pour euh, venir au deuxième tour, je crois, je me rappelle à, à, cette époque, au temps de, de Wanké. Mm. <clears throat> si vous vous rappelez bien, il y avait 5000 voix maximum, ça n'atteint même pas 5000 voix. Donc quand on, quand on décèle une fraude massive de 134 000 voix et <coughs> sur, un axe, c'est que quelque part on a fait un travail. Et moi, je, je, je demande à la CENI, je l'implore même de continuer dans ce sens, de traquer partout de mettre des dispositifs eh, partout au Niger pour qu'on puisse euh, déceler ce genre de problème afin, afin qu'on ait eh, un, un, scrutin pas parfait. On ne l'aura jamais, même dans les grandes démocraties aux États-Unis, en France. Mais oui, acceptable où les fraudes seront minimisées ah au maximum. Mm. Oui. Alors, Hussein Issa, voilà, Roufaï, en tout cas, il pense que euh, c'est ces cas de fraude, c'est tous les partis, en tout cas, euh, partis politiques. Qu'est-ce que c'est là Il y a des partis qui ne sont pas représentatifs. C'est juste des petits trucs que les gens créent et se positionnent. Bah, je parle, quand je parle, tous les ah. grands partis là, ça donne à cette pratique. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement Que des partis politiques qui aspirent à diriger euh, euh, euh, le non, pays avec des, valeurs. De, la même Est-ce que c'est. Mais c'est pas, c'est pas quand même, moi j'ai dit, c'est indécent. Parce que quand tu voles pour venir au pouvoir, ça veut dire que tu vas voler quand tu es au pouvoir. C'est sais que ça signifie. C'est pas autre chose. Mais quand tu es intègre, avant d'arriver au pouvoir, tu vas, en tout cas, si tu, es intègre, tu es arrivé au pouvoir dans l'intégrité, c'est que tu vas faire un travail intègre. Mais malheureusement, dans nos pays, malheureusement, il n'y a pas déjà La vision, là, la vision ne dépasse pas le bout du nez. C'est-à-dire, moi, je vais être positionné, machin, je vais gagner, je vais, mon train de vie va changer. Mais projeter cette vision au niveau des populations, ça intéresse peu aujourd'hui les acteurs politiques. La preuve, au niveau des secteurs sociaux de base, qu'est-ce qui marche Au niveau du sport, je parle sur le contrôle, <laughs> qu'est-ce qui marche Au niveau de la culture, qu'est-ce qui marche Est-ce qu'on avance Parce que tout simplement, les gens viennent, chacun fait son bruit, chacun cherche à manger. On ne sait même pas pourquoi on est là. Souvent, on est ministre, on ne sait même pas. Comment on en est arrivé à là, Ousseini mais comment on en est arrivé là le Niger est un pays quand même qui a eu des, gens ah, mais à l'époque, qui, à l'époque, qui, défendaient des, des, valeurs. Euh, bien sûr, bien sûr. Mais en temps, ces gens, aujourd'hui, si tu veux parler des, époques euh, passées sous la Première République, sous le, régime d'exception de Kunche, comment Il faut aller fouiller. Mais on en est arrivé là parce que les gens sont venus dans la logique où, bon, je suis en position étatique, je dois m'enrichir. Alors qu'à l'époque, tu viens pour servir. Et le tri se fait en fonction de l'intégrité. Il y a un travail qui se fait en amont. Aujourd'hui, il suffit seulement de savoir taper pour que taper le tam-tam, savoir retourner rapidement la veste, pour que tu puisses trouver des points de chute. Hmm. En, ah, ah, fait, je pense que, euh, euh, je pense que la, conférence nationale au, Niger a enfanté et pas, pas, que des démocrates, mais des monstres. Vous voyez, oui, des, gens qui ne viennent que juste pour eux et pour leur famille, pour s'enrichir au détriment de... Vous vous rappelez-vous, même en 93, après la, la transition démocratique, il avait pas eu, à la transition, il n'y avait pas eu autant de gabégie. Même à la Troisième République, il n'y avait pas eu autant, il avait, pas eu autant de gabégie. C'est ces derniers temps qu'on se rend compte qu'il y a eu, qu'il y a autant de gabégie qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on entend milliards comme, voilà. comme 1000 francs, quoi. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit milliards, j'ai l'impression qu'on parle de 1000 francs. Avant, quand on dit milliards, millions même, c'est quoi? C'est énorme. Mm. Mm. Aujourd'hui, on vous dit, dans l'armée, on parle de 1700 milliards euh, en, 700, je crois, qui ont été injectés et dont la trajectoire, euh, euh, dont la destinée n'est pas, n'a pas été. tracée. Vous, voyez, non Donc, si, c'est ça, ce n'est que dans l'armée. Ça vrai que dans d'autres aussi, pans de la société, il y a, beaucoup de choses. Mais imaginez si un État, et c'est là où je fais la corrélation avec la, et la sécurité, mm. imaginez si on peut investir euh, ou budgétiser 1700 milliards en quelques 5 ou 7 ans, ça veut dire qu'on peut, avec les autres pays du G5, former une armée robuste à même de faire face aux forces djihadistes qui ne sont pas censées être meilleures que nos militaires qui sont formés et dans, dans, dans, des, dans, des, hmm. grandes casernes. Pour terminer, Rufai, sur cette question de, de la CENI, alors, on a entendu que le rapporteur national donc, de, la CENI qui dit que euh, les doublons seront écrasés euh, que pensez-vous de cette mesure C'est-à-dire, dès qu'il retrouve des doublons, euh, une, seule, une personne qui, euh, qui s'est enregistrée par les mêmes cartes, en tout cas, les doublons, il a dit, seront écrasés. Qu'en pensez-vous Parce que serait difficile pour eux de, de savoir qui a fraudé. Oui, puisque déjà, ils ne peuvent pas revenir pour savoir cette, qui est qui hmm. L'incidence que cela peut avoir sur. sur Peut-être qu'on ne peut pas trouver les mêmes deux personnes parce que c'est une personne vivante et une autre fictive. Donc, comment ils vont faire pour, euh, pour garder une et jeter l'autre. Je pense que c'est la meilleure solution d'écraser l'autre. Euh, si toi qui as ta vraie carte d'identité, tu as euh, voulu frauder pour, donner, pour me donner, moi qui, qui n'en ai pas, pour aller faire me faire arrêter, c'est que toi tu as perdu, moi aussi j'aurais perdu. Je pense que quelque part, c'est que c'est justice c'est justice qui est rendue comme ça, parce que toi, tu as voulu voler, on t'a attrapé, et avec l'autre voleur, on vous, je pense que je suis entièrement d'accord. Déjà, on ne peut pas revenir pour, chercher la, pour, pour, la, pour faire la, trace, la, traçabilité, et même si on reprend, et on ne va pas juger l'autre comme étant coupable et l'autre non coupable. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Hussein ça euh, comment vous trouvez cette mesure de, ah, suppression des, doublons et l'incidence que cela peut avoir sur le nombre d'enrôlés Non, mais il n'y a pas d'autre mécanisme que ça. S'ils peuvent parvenir à écraser les doublons, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous dites 100 combien de personnes 134 000 cas. 134 000 cas dans une seule euh, région. Dans, quelle région Vers Marad. Dans les quatre régions. Dans la zone, la zone Ça, peut-être, c'est ça, l'iceberg, c'est un peu la, face visible. Mais certainement, il y a d'autres mécanismes aussi qui ont été utilisés. Mm. On ne sait pas. la, deuxième zone vient de commencer. Mm. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais toujours, il dit que ça montre un peu la faiblesse de nos pays, de nos États, l'irresponsabilité des gens qui viennent dire qu'ils sont là pour diriger les pays. Moi, pour moi, il faut arrêter ça. Ou bien l'Afrique prend ses responsabilités. Euh, fin du forum de la presse d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de nos confrères Hussein Issa et Roufa Dandoua. Rendez-vous euh, demain, le forum hebdomadaire du programme des jeunes, demain samedi et dimanche à 2-17h. Vous pouvez suivre euh, l'actu des jeunes en cinq langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi et dimanche, les forums en Hausa et en Zarma.